dal leen ak jamb si senelek sen andando bi wóor ci walum courant tay ñoo ngi leen di jumtu kay bi di woyofal ñu defar ko ngir yombalal leen ni ngeen di jëfëndiko sen courant ak woyofal man ngeena xam ñaata ngeen jënd si crédit ci wër wi tewlu leen bu baax leral yi te ngeen di seytu ni ngeen kay jëfëndiko ngir ay leral yu yaatu bind leen 802 ak 803 ngir xam bis bi ak waxtu wi bu ngeen soxlaa ay leeral ci seen compteur bind 804 ngir xam numéro compteur bi 869 ngir xam fu dooleem ji mën 808 ngir xam fu dooleem ji toll 812 ngir dakkal alarme bi 810 ngir xam tolluwaayu dog yi maanaam valeur de découpage ak woyofal mën ngeen a saytul seen bopp seen courant topp leen leeral yi di sakanal seen courant te fexe bokk si ñi yewenal courant ngir mu su ngeen soxla ay leral wo leen ñu gaaw ñoo ngi leen di jaajeufal ci tan gi ngeen ñu def ngir seen courant Senelec seen andando bu woor ngir courant buy sax Jom, jom, jom, joma joma C'est bon? Merci beaucoup, Madame, Messieurs. C'est Babacar Mbaye du groupe euh, Babacar Abba de Tahaou Sénégal. Nous avons voulu nous entretenir avec vous puisque nous venons devant une situation inacceptable de renoncer à notre présence dans le groupe parlementaire Yewi Askanbi. Il se trouve que depuis quelques semaines, le groupe parlementaire travaille sans nous. On n'est convié à aucune rencontre, on n'est convié à aucune réunion, aucune information n'est portée à notre égard. Malgré la générosité de Khalifa Sall, puisque quand on a fondé ce groupe, puisque M. Batli Diaz était le candidat à la présidence de l'Assemblée, la présidence du groupe parlementaire a été cédée au parti Pastel. Mais mieux encore, M. Ousmane Sonko avait demandé à avoir un poste pour quelqu'un qui n'a pas fait la formation à l'école française. Nous avions cédé le poste de vice-président du groupe parlementaire qui revenait à Tahaou à M. Cherchoro Mbake. Lorsque certains partis ont voulu faire preuve de boulimie, le président Khalifa Sall avait demandé à ce qu'on soit généreux avec les autres partis. D'où la présence du parti PRP comme président de commission, d'où la présence du parti PEMDA comme aussi président de commission. Depuis le mois de septembre, j'ai saisi M. Biram Souley Diop pour une réunion. Puisque, après tout ce qu'on a fait ensemble, après tout ce qu'on a vécu ensemble, après tous les combats qu'on a portés ensemble, au Sénégal, dans ce groupe parlementaire, en toute loyauté, quelquefois des combats qui sont allés à l'insu de nos propres valeurs. Lorsque des députés parmi nous ont agressé des femmes, lorsque des députés parmi nous ont insulté des ministres, nous avons fait preuve de solidarité parce que nous avions le sentiment d'appartenance à cette grande et belle coalition. Depuis le mois de septembre, M. Biram Souley Diop fait dans le dilettantisme, refuse de discuter avec nous, refuse de parler avec nous, refuse de nous rencontrer. Au début du mois d'octobre, je l'ai relancé pour lui dire que, M. Diop, je ne parle pas à vous en tant que responsable politique, je parle à vous en tant que président du groupe parlementaire. Un groupe parlementaire composé d'hommes et de femmes qui sont d'égale dignité, dont certains sont mieux formés que vous, plus âgés que vous, plus expérimentés que vous. Je pense que le respect recommande de répondre et de discuter avec les gens. Il n'a pas répondu jusqu'à hier soir, où par l'intermédiaire d'un député, il a mis une note dans le groupe WhatsApp où il demandait à tous les députés qui souhaitaient rester dans le groupe parlementaire Askanbi d'aller s'inscrire. C'est une démarche inégale, inélégante, discourtoise. Mais nous avons fait fi tout cela. Nous sommes allés nous inscrire tous. Parce que pour nous, Tahaou, ici, il n'y a pas de Tahaou, il n'y a pas de pur, il n'y a que des députés de Askanbi en nous réinscrivant dans le groupe, nous avons réaffirmé notre allégeance à cette belle coalition, à ce groupe parlementaire qui est Parce Lorsque nous sommes arrivés ce matin, nous avons fait encore mieux. Nous avons demandé à notre doyen, Omar Sissé, maire de Rufisque, et à M. Baba Meng, maire de Anne Beller, député maire de Anne beller d'aller restaurer le fil du dialogue. Nous ne voulions pas aujourd'hui, à ce moment précis, en être là où les gens peuvent couper le lien de dialogue parce que nous sommes un groupe parlementaire et que nous considérons presque que nous sommes à la dernière année parlementaire. Lorsque les doyens sont allés les voir, ils ont salué cela en ouvrant la discussion sur le bureau de l'Assemblée, puisque Yewi avait plusieurs postes dans le bureau de l'Assemblée, Pasteur en avait cinq, Tahaou en avait trois, Pur en avait deux, PEM en avait un et le PRP en avait un. Ils nous ont dit ce sont les leaders de Yewe Askanbi qui sont en train de discuter sur les postes. C'est qui les leaders de Yewe Askanbi C'est M. Ousmane Sonko qui est dans les détentions. C'est M. Khalifa Sall qui ne participe plus aux réunions C'est qui C'est Maimouna Bousso, c'est Djanté, c'est ça les leaders de Yewe Askanbi Mais nous avons préféré patienter. Nous avons patienté, patienté, jusqu'à nous informe, jusqu'à ce qu'on nous informe que le bureau a été déposé sans les membres du bureau de au Sénégal. Pastef pouvait prendre ses postes et laisser aux autres leurs postes. Pastef pouvait prendre ses postes et laisser à Tahaou, au PRP et aux autres forces politiques leurs postes. Ils ont préféré inscrire leur nom sur leur poste et inscrire leur nom sur nos postes. Face à cette situation-là, nous avons considéré qu'il était important pour nous de nous retirer du groupe ce qui s'est passé aujourd'hui est l'expression d'une grande irresponsabilité politique. Comment une coalition comme la nôtre, qui crie partout le besoin d'une transparence dans l'Assemblée, le besoin d'un dialogue franc dans l'Assemblée, puisse renoncer aujourd'hui à des postes Puisque vous savez que si nous coûtons le groupe, le groupe parlementaire va perdre au moins quatre postes, dont le poste aussi important de deuxième question, un poste de vice-président, un poste de secrétaire élu et des postes de commission les gens ont préféré réduire l'influence de Yehu Askanbi dans l'Assemblée plutôt que de faire preuve de lucidité, de faire preuve de bon sens, de faire preuve de courtoisie. Encore une fois, Wallou nous vient de nous donner une leçon politique. Puisque Wallou avait dit que tous les gens qui sont candidats ne resteraient pas dans le bureau l'Assemblée. Mboula Diallo est candidat, Baradoli est candidat. Mais après discussion, ils ont considéré que l'Assemblée n'a rien à voir avec les candidatures. Donc Moumoula Diallo garde son poste de vice-président Baradoli gasse son poste de, deuxième euh, président du groupe parlementaire Wallou et que la vie parlementaire de ce groupe-là continue. Aujourd'hui, nous aurions pu faire pareil. Chacun prend ses postes et la vie parlementaire de Yeo Askanbi continue. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un renoncement, c'est un recul démocratique, c'est un manque de responsabilité, c'est un manque d'intelligence politique c'est un manque de courtoisie et d'élégance politique. Est-ce que c'est pas une revanche euh, par rapport à ce qui s'est passé à la de Dakar l'élection Il ne faut pas confondre les institutions. Ces deux institutions n'ont rien à voir. À la ville de Dakar, ce qui s'est passé est parti d'une décision de justice portant sur la parité. Ici, rien ne nous empêche de discuter entre toute franchise. Parce que ce qui vous dit que c'est stupide, mais si nous, on sort du groupe, ils perdent les postes. Donc ils ne nous ont pas privé nous de poste, ils ont privé Yéwi de poste. Donc ce qui s'est fait, c'est juste une méchanceté, une idiotie sans nom qui a fait que Yéwi va perdre son influence aujourd'hui dans l'Assemblée. Puisque si nous, nous perdons les postes, eux, ils ne les prennent pas. Aujourd'hui, c'est Benno Bokoyakar qui va se renforcer avec trois postes et Benno Bokoyakar va récupérer et le poste de caisseur, et le poste de caisseur adjoint. Vous pensez que c'est un hasard que le, caisseur, après trois, deux mandats, ait décidé d'aller ministre c'est parce que pour la première fois, il avait une force contraire qui, rendait la question moins intéressante. Aujourd'hui, on vient de leur faire une fleur. Ils vont retrouver toute leur puissance sur le budget de l'Assemblée et l'exiger comme faut. On n'aura plus que les médias pour pleurer, ce qui est totalement irresponsable. Ok, honorable, avec ces nouvelles données, est-ce que euh, Tahou va avoir un, groupe parlementaire quand vous, démissionnez d'un groupe parlementaire, vous ne pouvez pas avoir un groupe parlementaire. Vous voyez à quel point notre démocratie est, est séquestrée par les conflits de personnes. Ça a été fait à la suite du conflit qu'il y avait entre Diagne Fada et eux. Aujourd'hui, Tahao Sénégal, qui a des maires, qui a un parcours, qui a des députés, mérite d'avoir son groupe et d'avoir sa réflexion. PASTEF, qui est un groupe politique avec un discours peut-être plus radical, peut-être plus souverainiste, peut-être plus nationaliste, avait le droit et le devoir d'avoir son groupe d'assemblée. Le Wallou nous a montré que dès le départ, ils ont eu le groupe parlementaire parce que Wad a ici un groupe depuis 1976 et Benno a son groupe. Donc notre démocratie aujourd'hui reste encore une affaire d'hommes, une affaire de, de de personnes et n'est plus une affaire d'intention, d'idées ou de positionnement dans le champ de la République. Regrettez-vous alors on ne regrette rien du tout. Nous sommes dans cette démocratie depuis longtemps. Nous sommes dans l'opposition depuis 2012. Nous avons eu à exercer des fonctions importantes. Aujourd'hui, nous gérons encore la capitale. Nous sommes 14 députés élus. Il y a quoi à regretter, madame Absolument rien. Ce que nous regrettons, c'est que des gens ne sassent ne sachent jamais faire preuve de responsabilité quand ils le font. Et ils apprennent donc que la politique n'est pas une affaire de cœur, c'est une affaire d'intelligence. Et il y a demain, il y a un avenir à tout. waaw tey dañ fi ñëw waxtaan ak yéen parce que dañoo jël décision groupe parlementaire Yewwi Askan Wi boobu ba tey ah defe depuis ce dialogue bi dañuy def le lu ñuy def duñu ci bolé. mu jaaxaloon ñu trop ndax bañuy ñëw fii dañuy ne woon lépp lu am yeewu askan bi du impacter groupe parlementaire bi bi ñu toogee toogee toog ba gis ñu kenn si mois de septembre bi le 18 septembre man ma jël ci man woo biram soulay ne ko biram soulay groupe bi da nga ko bokk say nawle ñu la ëpp jàng ëpp la jaar-jaar njëkk la falu kon lii cër ak li respect mooy que nga oo nit ñi wax ak ñoom bu dee am na problème ñu waxtaanee ko tontu wuma ba mois d'octobre ma yónneewaat ko message. tontu woo ba démb mu bind benn note dugal ko ci groupe whatsapp groupe parlementaire yeewu askan bi daal di ne képp ku bëgg a bokk groupe parlementaire yeewu askan bi demal nga signé fëddali ne ci groupe parlementaire bi nga bokk ñu ñëpp ñu dem signé sans consigne parce que dañu jàpp ni yeewu askan bi la ñu bokk bi ñu ñëwee tey ñu def leneen encore moo ñu sunu ay mag yu mel na doyen Omar Cissé maire de Rufisque ku mel ni sunu mag Babacar Mbengue maire de Hann bel ne ko demal nga waxtaan ak ñoom nga wax leen ni fii groupe parlementaire bi am na yoo xam ne xaju fi et fii bu dee benn at moo fi des war na mën a rafet ñu teg ay jéego yoo xam ne xëy na Sénégal yi daañu ci gis seen bopp. ñu ne ñu waaw d'accord ñu ngi koy waxtaanee ñu leen parce que lu jëm ci bureau bi da ngeen am seen ay poste yéen Pastef am ngeen cinq postes am ngeen président groupe parlementaire vice président groupe parlementaire vice président assemblée am ngeen ñaari commission am ngeen questeur adjoint kon yéen. bu ngeen amee seen ay poste kay waa yaa xayti ñun ñu am ñett vice président secrétaire élu ak benn commission xanaa ngeen delloo ñu suñu ay post waa PUR jël seen ay post waa PEM jël ay seen ay waa PRP jël seen ay poste ñu ne ñu ah leader Yewwi Askan Wi ñu ngay waxtaan leader Yewwi Askan bi kan la léegi Ousmane Sonko mu ngi ci ndogal xalifa Sall bokkatu ci kan mooy leader Yewwi Askan bi ñu toog ba ngoon gi waxuñu dara ñu jékki-jékki ñu ne ñu ah ñoom de bureau ba ngeen nekkoon taxaw nañ si tànk gënal ci ñu ne ah loolu dafa xaw a doy waar ndax nag mun leen jël seen ay post bind seen ay tur jël suñu ay post bind seen ay tur loolu du xel du politique du ànd moo tax ñun tamit ñu posé acte politique mooy gun génn groupe parlementaire Yewwi Askan bi te buñ ko génnee groupe parlementaire bi dafay dégg juróom benn fukk ak ñett wàcc ba 39 kon post yi ñu bëggoon xañ ñun Yewwi Askan Wi koy daal ñàkk kon tey yow askan bi ñàkk na ñeenti post ci bureau bi y compris poste bu am solo bu mel ne questeur adjoint mu nekk lu doy waa ndax loolu moom kenn xamul lu mu doon kenn xamul iñaan la kenn xamul wayaadi la kenn xamul irresponsabilité la kenn xamul lu mu doon mais lu ci mënti am rek mooy que ñun bañ fiy ñëw fii il y un an liñ ci amoon mooy rendez-vous à Ngor Diarama à huit heures kenn xaaru woon post kenn xaar woon dara kon ñun post indi wuñ fi lu ñu amoon solo mooy que tey li ñu naqari moy que groupe parlementaire Yewwi Askan bi ñak na influence am ñak na contrôle sur le budget ñak na ay poste ñak na temps de parole et c'est extrêmement dommage pour la démocratie du Sénégal loolu la ñuy naqaru non buñu jaawale jaawalee bokul ñu bokkul ndax fële décision de justice le le le, la jógee tey mënoon naa jàpp ni fayu la bu fekkee ñom poste dañu koy jël mais poste dañ ko ñak wa yow poste yi nga xamante yow mëno ko jël mais jox ko ñu ko moom mais nga ñak ko ku ko jël Benno Bokk Yaakaar mo jël. kon ku ñàkk tey tey yeewi askan bi moo ñàkk tey opposition Sénégal moo ñàkk tey acte bi ñu fi posé acte irresponsabilité la ndax ci biir ay institution kenn du xalaatee nii kenn du jëfee nii kenn du waxee nii et c'est extrêmement dommage Abba Mbaye taxawu Sénégal yalla nak jamb ci senelek sen andando bi wor ci walum courant tay ñoo ngi leen di jumtu kay bi di woyofal ñu defar ko ngir yombal leen ni ngeen di jëfëndiko sen courant ak woyofal man ngeen xam ñaata ngeen jënd ci crédit ci wër wi tewlu leen bu baax leral yi te ngeen di seytu ni ngeen kay jëfëndiko ngir ay leral yu yaatu bind leen 802 ak 803 ngir xam bis bi ak waxtu wi bu ngeen soxla ay leeral ci seen compteur bind leen 804 ngir xam numéro compteur bi 869 ngir xam fu ji 808 ngir xam fu ji 812 ngir dakkal alarme bi 810 ngir xam tolluwaayu dog yi maanaam valeur de découpage ak woyofal mën ngeen a saytul seen bopp courant topp leen leeral yi di sakanal seen courant te fexe bokk si ñi yewanal courant ngir mu su ngeen soxlaa ay leeral woo leen ñu gaaw ñoo ngi leen di jaajëfal si tànn gi ngeen ñu def ngir seen courant lekk seen àndandoo bu wóor ngir courant buy sax